Mm, mais au niveau de la base je dis au niveau de la base lu ñu am loolu moo ñu ko gënal ànd ak coalition Yewwi Askan Wi. loolu tax defoo leen ko ci local yi. ah parce que il fallait non seulement ku nekk natt sa parce que xam nga ànd bi ci gën mooy ku nekk xam li sa morom di peser ku nekk xam lan ngay mesurer aujourd'hui au sorti de ces élections locales. d'accord xam nañ ne bu ñu ak Yewwi Askan Wi fi la Yewwi Askan Wi tollu, fi le parti démocratique yi toll ànd bi dina gëna dina gëna yomb.

L'opposition est incarnée par, la PDS, euh, par le PDS, Parti démocratique sénégalais. Opposition mais opposition PDS mon il faut comprendre le président Doudouard dans ses analyses. le euh, dit il fait des synthèses techniques. Doudouard non rien n'est technique. dans ce qu'il a dit. non si si PDS non si majoritaire. si dans l'opposition ça veut dire que l'opposition est portée aujourd'hui par le PDS. si Non la Doudouard Doudouard parce que non vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que Doudou de dafa expliquer ne su fekkee jëluñu les résultats des coalitions nous jël ko résultat parti par parti li nga maintenu ni le la PDS engagé ci ay voix qui élections locales yi amul benn parti une xamante ne une tey bu ñu leen séddalee li ñu par exemple une coalition qui fait pratiquement plus de 30 30 30 partis et de et de mouvements et d'associations ak une coalition qui fait trois partis à quatre mais il y a une différence. Vous prenez les voix de Yel Askanvi. Vous divisez, vous divisez ça par le nombre de partis et de mouvements. Vous n'aurez pas 400 000 voix. Et dans les 400 000 voix, c'est sûr et certain que les 300 000 voix ont été engagées par le Parti démocratique parce que coalition une coalition Non, sa position Mais c'est ça, c'est l'analyse. Et, dans cet angle, et dans cet angle, respecter l'analyse que vous avez parce non. que man, fou mon analyse beaucoup. Mais quand il a fait cette analyse, il m'a ouvert les yeux et je le rejoins dans ça. Je le rejoins dans, ça maintenant. L'idéal, et ce qui est intéressant, moi, une grande coalition qui, durant ces élections législatives, qui vont venir, qui se profilent à l'horizon, nous menons des résultats qui nous permettre nous majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous majoritaire. Nous majoritaire. opposition majoritaire quand je dis l'opposition moi, coalition bi nga xamante ni ni ñi ci ñi la coalition Wallu et la coalition yewi parce que déjà dans le département de Pékin, cette coalition là est en train de prendre forme Nous avons wax le COP la coalition pour l'opposition de Pékin. Wallu nek ci yewi ci déjà et nous allons travailler pour non seulement une coalition nationale mais aussi pour pérenniser